une alliance alliance ou est bi c'est c'est la stratégie et la tactique politique sur le terrain et l'évolution des choses hein. donc c'est une coalition circonstancielle oui circonstancielle mais mhm. avec des objectifs objectifs à amener atteindre mhm. c'est-à-dire li atteindre atteindre euh, la majorité à l'Assemblée nationale à la 14 14e législature bi nga installé 13 législatives jaar c'est des majorités mécaniques excellent C'est normal c'est la c'est la dialectique de la vie nous nous sommes des dialecticiens C'est la dialectique Moi, on veut faire un pas en avant dans la liquidation du système bi nga xam ne moo tax ñu ñu ñu former suñu parti donc mais kooku du benn jéego rek la ay jéego la ay jéego ay jéego mais jéego bu nekk nag da ngay da ngay da ngay

ak euh, euh, euh, yow dem nañ dem nañ tàqalikoo dem gouvernement bi benn bokk fi porox lu dugg jàll